jaay buntu hôpital kenn du si yooxu baa leen yooxu yi s'il te plaît yooxu yi baa leen ko mooy lan feebar bi mu yor nii fekkente ne dañu nekk di laam-laam wala di def ay tannube wala def ay comédie ça sert à

vraiment. doo ko téléphone doo ko jël téléphone vu que kii bi dafa vide. donc eh, mu Sénégal même pour quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire de la loi internationale de la santé quelqu'un qui a besoin d'un soin médical il peut être évacué en correspondance avec ce SAMU man di France Radio jógee ñëw ba fii maa ngi fii depuis ci suba maa ngi fii depuis ci suba fii nañu on l'a tenu compagnie jusqu'à là et on ira avec lui jusqu'au bout alors que lancer les appels il faut que tout le monde soit d'accord sur ça leader yi nekk fii ñuy ñëw di ko ça ne sert à rien du tout sa santé s'est dégradée. Bon, maintenant, il va falloir intervenir médicalement, c'est-à-dire l'évacuer Fadjou. Quel et tout. Voilà, Mangi de Kerem de हम लोग को 50 सुबह है

72 euh, heures la fi war a def pour que euh, mu lekk ba suur naan ba mande ñu daal koy jox li nga xam ne moom mooy ay garabam mais ñi nga xam ne ñooy ay famille am ñoom rek ñoom am euh, droit pour daal di dugg ci li nga xam ne mooy chambre am donc voilà liggéey bi suba ba léegi ñu ngi leen koy toppal ànd ak suñuy confrère ma ci fekk ak sama caméraman mu siy liggéey bu am am am solo donc lii comme ñoo leen ko dégg information dañ koy topp à temps réel donc suba ba léegi ñoo ngi fi pour jox leen lépp li nga xam ne rek moom ngeen soxla ci information rawatina ci je crois que l'organisation et le combat doivent continuer. Il est malade, mais il faut qu'on prenne le relais et qu'on continue à faire le combat parce qu'il n'est pas question de lâcher prise. Il faut que Macky Sall sache que le Sénégal ne lui appartient pas et que son corps doit être candidat aux prochaines élections présidentielles. Et ça, ce n'est pas négociable. Lui, il ne doit pas participer. C'est lui qui a fait la Constitution. Et il a dit dans la Constitution que personne ne peut faire plus de deux mandats. Deux mandats successifs, on ne peut pas aller au-delà. Et lui-même, il l'a répété partout, Major et tous les ténors, à l'époque de son parti, l'ont réparé euh, l'ont répété, il n'est pas question qu'on revienne là-dessus. Macky Sall doit savoir que les Sénégalais, dans leur immense majorité, ne peuvent pas admettre qu'ils se représentent, ne peuvent pas accepter qu'il soit président au-delà de février 2024. Ce n'est pas possible. On en a assez. Et avec ça, il n'y a plus d'espoir. Les gosses que nous avons vus lorsqu'on a organisé le meeting, des gosses sont venus me voir. Ils m'ont dit, Doyen Goumbele, regarde-nous. Mais on est des morts vivants. Ils n'ont pas d'espoir. Leur seul espoir, c'est corps. Et ils n'accepteront pas que son corps soit sacrifié. Ça, il faut que Macky Sall et son équipe le chasse. Il peut sortir des blindés, tout ce qu'il veut, des canons, tout. Les gens ne le laisseront pas faire. Cependant, nous ne sommes pas pour la violence. Ah Parce que la violence n'arrange personne. Et que les Sénégalais aussi ne veulent pas la violence. Parce que la plupart des Sénégalais, c'est des gens qui vivent du jour au jour. Quand le pays est bloqué 24 heures, 24 heures seulement de temps, il souffre. Donc personne n'aime la violence. Mais cependant, Macky Sall est en train d'imposer la violence à l'opposition. Et ça, les Sénégalais ne peuvent pas l'accepter. Et avec sa méthode, ses méthodes actuelles, il donne, il renforce l'opposition. Il renforce l'opposition parce qu'il crée des mécontents qui vont encore continuer à se mettre avec son derrière son corps. C'est ça qu'il doit comprendre. Et nous, nous allons nous battre derrière son corps. et nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous continuons le combat d'une façon pacifique derrière les autres euh, leaders de l'opposition qui sont là. docteur docteur il est sous traitement pour 72 heures dans ces 72 heures là il faut le laisser au repos et au calme il prend ses médicaments et vraiment il n'y euh, a rien à craindre pour lui pour le moment mais il prend ses médicaments il est sous traitement pendant 72 hein? pendant 72 heures ça fait combien trois jours hein? sauf les intimes la famille mais il est sous traitement il est conscient et le traitement est efficace équipe médicale bi équipe médicale c'est des médecins qui connaissent leur boulot qui sont à yoo xam ñu ko japp diko ko nañ ko war a donc alhamdoulillah da, alhamdulilah fofu lañ toll ñun nak liñuy laaj sénégalais ak jeunes yi ak ñepp l'organisation et la pression sur Macky Sall nañ continuer mais d'une façon pacifique Dans le Sénégal si on ne bloqué pendant 24 heures... Il y a des Sénégalais qui souffrent donc il faut penser à ça et moi je souhaite que les jeunes L'Union des def Bussi... Bussi et Djambouri, ak alali parce que ça ne mène nulle part di lacs Bussi... Des dégg di magasin vraiment man ne parce que ça ne mène nulle part cependant on peut continuer là le combat continue continuer combat mais d'une façon pacifique la mobilisation continue Ousmane Mom, il sera candidat par A ou par B et Macky Sall ne peut pas être candidat ñaar a rek la Macky bu nekkul candidat Ousmane nekk candidat mu jeex loolu dongo fi ne mais bëgg ne Mame Ousmane nee ko un discours politique mais lu ne nga on fait tout le temps des dérapages dans des discours politiques que ça soit le président ou un autre discours fi ngeen ma wéré rek mën fi def dérapage parce que damay improviser boy improviser def dérapage lolou ñu né ki du nekk candidat parce que nee ngor si ni mais mais fi tiaxan yoyu moy lan non Sénégal yi nekkuñ fofu na fa génn Sénégal yi nekkuñ fofu na fa génn té bayyi tiaxan yi mom il dit qu'il est majoritaire mais na ñew ci terrain bi par la voie des urnes et que gosses yi ñu war bind nañ leen bind les primo-votants bind leen jox leen sen carte buñ ko défé jamm na ñoy mais bëgg fee def dictature lu Senghor defut Abdou Diouf defu ko Ablaye Wade defu ko nga ne da ko def et on nous ñu jaayoon nu Macky Sall ne nu Macky Sall il est né après l' indépendance man mi jugu avant l' indépendance damaa ko tànn ndax maa ko gën a nekk démocrate voilà loolu laa amoon lu may wax jërëjëf mu cax xew alors nañu déplacé euh, kàddu yi nga xam ne euh, doyen génnee na ko nee na Sonko euh, mu ngi nekk li nga xam ne mooy voilà mu ngi noonu kàddu yi nga xam ne doyen génnee na ko nee na Sonko fii